waaw xam nga nag Barthélemy Dias nag benn situation bu bu xaw a garaaw la boo xam ne bii nii ça appelle trois lectures benn bi euh, Barthélemy Dias selon le code des collectivités territoriales Barthélemy Dias ñàkkul mandatam de maire waaw parce que article cent trente cinq code des collectivité territoriales dafa ne ku ñu condamné pour crime mais ce c'est pas une condamnation pour crime donc Barthélémy Diaz conserve son titre de maire de Dakar mais Assemblée nationale euh, constitution article 61 Boumou Djumul, article 51 règlement intérieur Assemblée nationale ñoo yam ci côté ñaari article yooyu dañoo définitif au niveau de la justice il est automatiquement déchu de son poste de député si le ministre de la justice saisit le président de l'Assemblée nationale Quand ni jii Diaz, si Aïssata Tall écrit au président Amadou mambio, il n'est plus député bi mais troisième pour moi, vous gën grave. ça, sax condamnation bi il perd ses droits civiques au moins pour cinq ans ah oui comme il les perd au moins pour cinq ans quand la condamnation bi décembre 2023. mille fait 5 ans décembre 2028. Si vingt huit décembre 2028, nous élection présidentielle 2029. nous day fait du nous fichier fichier il n'est pas candidat parce que Khalifa est candidat moom damay bu doon pour candidat après Khalifa pour 2024 ou 2029, c'est compromis